C'est euh, un immense plaisir de je me retrouve ce matin parmi vous pour présider la cérémonie officielle de lancement de la campagne Octobre édition 2021. J'adresse mes cordiales salutations aux autorités administratives et locales, ainsi qu'aux populations du département de Kermassar. Je suis très heureuse de l'accueil qui m'a été réservé et salue la forte mobilisation de la commune et du département à l'occasion de cet important événement. Cela est la preuve s'il est encore besoin et votre engagement à lutter efficacement contre les cancers, surtout les cancers du sein. Mesdames, Messieurs, je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a comme statistiques, mais sachez que les statistiques au plan mondial, au plan régional en Afrique, mais également ici national au Sénégal, montrent que les cancers gynécologiques, particulièrement le cancer du sein, sont en train aujourd'hui de gagner du terrain mais également les taux d'incidence et de mortalité devraient augmenter de plus de 40% d'ici 2030 et les femmes restent les plus touchées. Pour vaincre ce fléau, le gouvernement a mis en œuvre des stratégies adaptées sous l'impulsion de son excellence M. Macky président de la République qui fait de la lutte contre le cancer une de ses grandes priorités. Ces stratégies reposent sur le renforcement de la collaboration multisectorielle, la consolidation d'un environnement favorable à la santé et l'amélioration de la prise en charge des maladies neurotransmissibles et le développement de la recherche. Dans ce cadre, mon département a fait de la prévention primaire et de la détection précoce du cancer des pièces maîtresses de la lutte en adoptant une approche intégrée des soins contre les cancers du sein et le cancer du col du fils à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. ci loolu am 21 structures sanitaires qui ont été équipées en appareil de mammographie ainsi durant tout le mois d'octobre Le coût sera ramené à 15 000 francs pour renforcer la détection. Mais également, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une de restructuration des coûts pour maintenir ces 15 000 francs. Mon âme, ça, yu ñu bëgg tey ak bàjjenu gox yi acteurs communautaires yi administration territoriale son excellence le président de la république nee na ma nañu def tout ba mon bi teew 15 mille suñ le gëstu de la wàcc. 70 centres de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus ont été installés, permettant ainsi l'intégration du dépistage du cancer du col de l'utérus. Le projet pilote sur le dépistage du cancer du col de l'utérus par l'utilisation du test HPV et de traitement des lésions précancéreuses par ablation dans les districts sanitaires de Dakar. À ces réalisations vient s'ajouter l'installation d'un quatrième appareil de radiothérapie dans le public au sein du nouvel habitat Cheikh Amadou Ces efforts seront poursuivis et accentués notamment à travers les pôles régionaux de Saint-Louis, de et de Capri. Je rappelle déjà que d'importantes mesures sociales avaient été prises par M. le Président de la République, à savoir la subvention sur la radiothérapie qui a été portée à 75% permettant de maintenir le coût à 150 000 francs CFA. Cette mesure a permis depuis 2018 à plus de 2500 patients de bénéficier d'une prise en charge il y a également la gratuité depuis le 1er octobre 2019 de la chimiothérapie pour les cancers du sein et du polypus, à côté d'une subvention à 60% pour les autres types de cancers. En perspective, nous avons la concession de ce centre national d'oncologie dont les travaux ont commencé et mon accueil sur Andal et Hamlet, c'est un éminent chirurgien qu'on appelle le professeur Ibrahim Mata. Il faut xam nous ne mun en termes, mais avec la GEM, avec l'urbanisme, parce que kenn ñëw rek di tabax kër di tabax lu mu la neexee donc dañuy ñëw dinañ ci bloc opératoire dinañu bu ma liggéey ak li nga xam ne médecin chef de région wax na ma ko ak disib ci ni Kër Massar bindoo actuellement moo tax ñu indi fi ambulance médicalisée bu ma leen déggee mais Kër Massar moom dina am lu wax un rayonnement sanitaire